Chez euh, les chefs de village. Monsieur le chef de village, euh, du quartier hein, de Lafiabrou, euh, chers invités, chers familles euh, bénéficiaires, je parle au nom des membres de l'association Al-Kausara, des membres qui sont représentés un peu partout à travers le monde, à savoir la France, la Belgique, le Congo et d'autres pays. Alors, euh, nous sommes ici présents pour formuler des prières et remercier également les donateurs qui sont exclusivement les membres du bureau al Et également remercier notre guide, le cheikh Imam Koueta, pour euh, les nobles prêches qu'il fait pour le, peuple tout entier. assalamu alaikum wa rahmatullah. Euh,